Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou et bienvenue dans ce nouveau numéro du forum. Je suis Nafis Adam Sirfou à la modération. 13 mai 2024, journée nationale de la femme nigérienne, quelle avancée 33 ans après la marche du 13 mai 91, c'est donc le thème de ce jour. Le 13 mai de chaque année au Niger, c'est la journée nationale de la femme nigérienne cette journée symbolise la marche historique du 13 mai 91 par les femmes nigériennes qui ont réclamé et obtenu une plus grande représentativité au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine tenue du 29 juillet au 3 novembre 91. 33 ans après cette marche historique, quelles sont les avancées enregistrées À quel défi la femme nigérienne fait face aujourd'hui Comment promouvoir les droits des femmes au Niger et quelle implication des jeunes filles leaders dans cette lutte. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Harouna Fatoumata, membre de la Congafena. Bonsoir Madame. Bonsoir. José Gilbert, membre de New Challenge, une structure féminine qui a pour mission d'accompagner et d'encadrer les femmes et les jeunes filles nigériennes à développer leur leadership. Bonsoir José. Bonsoir. Et nous avons au téléphone Madame Safiatou Damalam. Elle est la présidente régionale de la Congafen à Bonsoir Madame Safiatou. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Alors, le 13 mai 1991 est une date qui est considérée par beaucoup comme un tournant dans la participation à la vie publique des femmes au Niger et dans la modernisation des lois en faveur en leur faveur. Alors, pour revivre un peu le passé, Madame euh, Fatmata, je commence avec vous. Euh, pouvez-vous nous faire un bref rappel historique de cette date du 13 mai 91 Merci le studio Kalangu. Merci pour l'opportunité que vous me ferez pour m'exprimer sur vos antennes. Tout le plaisir est pour nous. Donc, euh, nous prions Dieu qu'il descende la paix, la, miséricorde, la miséricorde mhm. sur notre cher pays. En tout cas, le 13 mai, c'est une date historique parce que vous savez, lors des travaux préparatoires de la conférence nationale souveraine en 1991, il n'y avait qu'une seule femme qui a été représentée, alors que les femmes représentent plus de 51%, de la population en son temps. Les femmes, toutes tendances confondues, se sont senties un peu discriminées, et discriminées et marginalisées et frustrées pour, pour euh, matérialiser leur mécontentement. Elles se sont levées comme un seul homme toutes catégories confondues, pour descendre dans la rue. Le gouvernement d'antan a entendu leur appel et très rapidement, on a pu corriger. Mm. Et on a amélioré la représentation. D'une femme, elles sont devenues cinq qui sont venues représenter les femmes au niveau de la conférence nationale souveraine, des travaux préparatoires de la conférence nationale souveraine. D'accord. Et en ce temps, ces femmes étaient euh, organisées aussi en structure, c'était comment il y, avait, il y avait des femmes qui étaient organisées en structure, mais elles ne sont pas aussi nombreuses. Ce n'était pas une multitude de structures. Il y avait d'abord l'AFN qui est au devant de la lutte. Donc, euh, il y a le RDFN et il y a d'autres structures qui, sont, qui viennent de naître, qui ne sont pas un peu visibles, mais quand même, je vous dis, toutes les femmes, tendances confondues, sans exclusif, elles sont descendues comme un seul homme dans la rue pour manifester leur mécontentement ce jour-là. Mm. Donc, Alors, c'est plus tard qu'est arrivée la Congafen, qu'est née autant pour moi la Congafène oui, c'est après que qu'est née la Congafen. Mhm, euh, donc euh, c'est la FN <laughs> qui a dit vu le jour euh, la première chose Confédération des femmes. Ensuite, il y a le RDFN, donc la Congafen est venue le emboîter le pas après. Alors, après le rehaussement du, nombre des femmes euh, euh, qui, ont participé donc aux préparations de cette Assemblée euh, nationale, quels sont les autres acquis obtenus au lendemain de cette marche historique Après cette marche, il y a eu beaucoup d'avancées. Hmm. Il y a eu des acquis. Parce que je vous ai dit, le gouvernement d'antan s'est vite à reconsidérer sa position pour rehausser le nombre de femmes. Maintenant, à partir de là, les femmes n'ont pas baissé les bras. Elles ont continué à se battre. Elles se sont mises à se battre jusqu'à obtenir ce qu'on appelle la loi sur le quota. Hmm, la loi sur le quota qui est une discrimination positive, qui est euh, transitoire. Donc, elle dit la loi sur le, quota de 2000, la loi 008 du, 7 juillet 2000, mhm. qui institue un système de quotas au niveau des hautes fonctions de l'État, des nominations et autres, au niveau de l'administration publique. Donc, elle dit que lors des nominations, il y a 25% du quota qui est réservé à l'un ou l'autre des deux sexes. Il faut qu'on spécifie. Elle a dit l'un ou l'autre des deux sexes. Mm. Donc, ce n'est pas que la femme. Non, ce n'est pas pour la femme. Mais comme nous sommes, on nous considère les plus vulnérables, on nous a collé ça et nous, nous l'avons accepté. Mm. Et plus tard, l'article 3 de cette même euh, loi dit que lors des, des consultations électorales, c'est-à-dire 10% des postes sont réservés à l'un ou l'autre des deux sexes. et ces 10%-là, on l'a collé aux femmes et nous l'avons accepté. Mhm. Donc, on dit que c'est une disposition transitoire, elle peut changer, il peut y avoir un renversement de situation. Oui, continue. Ce qui a fait que Aujourd'hui, si vous prenez, il faut saluer quand même la première femme qui a été ministre, la défunte euh, Madame Moumouni Aïsata, qui ont été au devant de cette lutte avec les Marie Keita, que je n'oublie pas que leur, euh, leur repose en paix. Madame Gallo, tout docteur. Parce que les, femmes pionnières. Ah oui, les femmes pionnières, donc les Rekia Kanta. Donc euh, vraiment, il y en a les Hélène Aïka, mm-hmm. il y en a une multitude qui sont vivantes. Il y a les Madame Capo qui sont venues leur mm-hmm. emboîter le mm-hmm. pas, les Madame Katambe, il y en a une multitude. Donc à vous comprendre aujourd'hui, euh, bien que les premières pionnières, certaines d'entre elles euh, nous ont dévancées. aujourd'hui il existe aussi des femmes qui sont en train de, comme vous, êtes en train de mener cette lutte pour de la mener promotion. Cette lutte, sur la promotion parce que la loi sur le quota, n'est pas terminé. Mhm. En 2014, il y a eu une révision de la loi. Mais cette révision, vous savez que quand on a révisé cette loi à la hausse, il n'y avait pas eu de décret d'application. Mhm. Donc elle est laissée être morte. C'est en 2019 qu'il y a eu encore un rehaussement de cette loi. Mhm. Cette loi a été rehaussée selon la loi 69 2019 du 29 décembre 2019 qui de, de, 25%, les postes nominatifs, on est passé à 30%. Mm, mm. Et les postes électifs de 10%, parce que j'ai dit avant c'est 15%. Mais il n'y a pas eu de décret, donc c'est devenu cadique. Maintenant, de 10%, on est passé à 25%. Mm. Ce qui a fait que si vous prenez la dernière législature, parce que les institutions de la 7e République ont été suspendues. Mhm. À cette dernière législature, les femmes sont au nombre de 51, mhm. plus de 30,2% du, du, du, Parlement. Donc vraiment, on peut dire qu'il y a eu, parce que une femme à l'Assemblée, ah, on est passé à 51 femmes. Il y a, eu des pas, il y en a beaucoup dans, dans divers domaines. Il y a eu beaucoup d'avancées. D'accord, merci bien. Alors, il y a eu beaucoup d'avancées 33 ans après cette marche du 13 mai, bien que beaucoup aussi reste à faire. Euh, madame euh, Damalam, vous êtes euh, avec nous oui. Euh, vous êtes euh, la présidente régionale de la Congafen Tilaberi. Comme vous l'avez entendu, il y a eu des avancées 33 euh, ans après cette marche de 13 mai. Selon vous, aujourd'hui, est-ce que les revendications même ont apporté leurs fruits à la date d'aujourd'hui? Eh, merci le studio Kalangu. Nous vous remercions beaucoup mhm. parce que vous nous donnez l'opportunité de vous dire en fait ce que au niveau région voilà. les femmes sont en train de faire. Oui, nous allons en venir même à la question, oui. Merci beaucoup. Mhm. Donc, euh, franchement, il y a eu beaucoup d'avancées. Et en région, les femmes aussi se sont organisées. Les femmes sont organisées. Mhm. Parce que chaque structure au niveau national a fait de son mieux pour qu'elle ait des représentations au niveau région. Mhm. Et ce sont ces femmes-là, effectivement, qui sont en train de faire des activités pour pouvoir réussir et pour pouvoir faire appliquer, en tout cas, les décisions prises par l'État, que ce soit les lois, mhm. que ce soit les quotas. Donc, ces femmes-là sont organisées et ces femmes, au sein de la Congrafen, par exemple, régionale de Tel mhm. c'est que plusieurs structures qui sont au niveau national sont représentées au niveau de la région. Mhm. Et nous nous sommes organisés et nous sommes reconnus dans la région. D'accord. Toutes les autorités aujourd'hui, quelle que soit l'activité qu'ils font, il y a la représentation féminine qui est là. C'est déjà aussi un plus, oui que ces femmes soient reconnues, oui. Bien. Et aussi, au niveau de la région, nous faisons notre mieux pour que les femmes soient au niveau des instances de prise de décision. Vous ah, savez, la rentrée de tout projet et de toute euh, activité, ce sont des mairies, bien qu'aujourd'hui, on ne parle plus de ces mairies, de ces communes, et on ne parle plus des mairies. Mais une chose est sûre, c'est qu'au niveau de ces instances de prise de décision au niveau régional, on a beaucoup fait. Ce qui veut dire qu'au niveau de ces communes-là, euh, les dernières, euh, hum, la dernière législative, la dernière législation, mhm. on est passé de deux représentations féminines à cinq représentations féminines. Mhm. Et ça, ce n'est pas uniquement à, Je crois que dans presque, dans presque toutes les régions, il y a eu ce progrès-là. Et mhm. il y a aussi les jeunes, parce que nous, nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons aussi avec les jeunes pour, pour assurer la relève. Mhm. Alors, oui comme vient de le dire Madame Haruna, mhm. elle a dit que les, les, les Madame euh, les celles qui sont parties, nos pionniers mhm, qui sont mhm, parties, mhm. aujourd'hui nous avons la relève telle que les, les Hélène Aïka, telle que les Madame Kako, telle que les Madame Katambe qui sont là. C'est que ça a été préparé. Donc nous aussi au niveau région, on est en train de préparer la relève. Alors aujourd'hui, Madame euh, euh Safiatou, 33 ans après, euh, est-ce que vous pensez que les droits même de la femme nigérienne euh, sont respectés dans notre pays Ah ma chérie, les droits de la femme ne sont pas respectés. Par exemple, lesquels selon vous Si vous prenez par exemple en ce qui concerne les, les, droits à l'héritage, toujours nous avons des problèmes. Mhm. On est obligé d'aller. Maintenant, en ce qui concerne les, les, les droits de la femme, pour euh, l'avancée qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, si nous regardons concerne la scolarisation de la jeune fille, il y a beaucoup de filles qui sont inscrites. Mais qu'est-ce qu'on constate C'est que ces filles qui sont inscrites ne font pas des études supérieures. Hmm. Elle arrive un moment où elles sont obligées d'abandonner. Et ça, qu'est-ce que c'est Nous avons vraiment beaucoup de contraintes, telles que nos coutumes, nos mœurs, qui viennent entraver effectivement le processus. Alors vous, aujourd'hui, sur quoi vous mettez l'accent même dans la promotion de, vos droits hein? nous mettons l'accent sur qu'il faut que les femmes soient dans les instances de prise de décision. Hmm. Parce que tant que la femme n'est pas présente dans les instances de prise de décision, on ne peut pas respecter, on ne peut pas connaître ces problèmes pour pouvoir le résoudre. De deux, nous faisons en sorte que la femme soit respectée, que les femmes, qu'on sache que les femmes ont droit à l'héritage mm-hmm. et qu'on leur donne leur part. Mm-hmm. Trois, il faut qu'on sache que la femme aussi a droit d'aller au dispensaire pour se faire soigner. L'accès aux soins. L'accès aux soins. Mm-hmm. Il faut qu'on sache aussi que la femme a droit d'aller à l'école. D'accord. Alors, restez toujours avec nous, Madame Safiatou, pour euh, la suite de cette émission. Nous sommes dans ce studio avec euh, une jeune fille leader, euh, Mademoiselle José Gilbert. Elle est membre de New Challenge. New Challenge, c'est une structure féminine qui a pour mission d'accompagner et d'encadrer les femmes et les jeunes filles nigériennes à développer leur leadership. Alors, José, vous venez d'entendre vos mamans. le 13 mai, on sait que ce sont des femmes de tout horizon qui sont descendues dans les rues de Niamey et ont lutté pour leurs droits politiques et leur inclusion. Alors comment vous appréciez euh, cette lutte menée par, vos, par nos mamans, si je peux le dire, pour réclamer leurs droits Alors euh, merci au studio Kalongo pour euh, l'invitation. Donc recevez également les remerciements de la part de la coordonnatrice exécutive, mhm. Madame Zainab Moussakaka. D'accord, merci bien pour l'honneur de nous inviter à ce plateau afin de discuter des questions relatives mhm. aux droits des femmes. Mhm. Donc, euh, il faut savoir que depuis longtemps, euh, les marginalisations à l'égard des femmes étaient dans toutes les sociétés. Mhm. Donc, euh, au départ, les femmes n'avaient pas de droits. Elles avaient un statut juridique inférieur ou bien avaient un rôle de second plan. Donc, c'est avec l'avancée et du militantisme des femmes des mouvements féminins que les droits des femmes ont progressivement évolué. Bon, elles ont été reconnues pratiquement dans toutes les sociétés, même si cela reste encore limité. Donc cela nous renvoie à la marche. Vous dites c'est encore limité. Qu'est-ce qui expliquerait cela Est-ce que dans notre société Parce qu'aujourd'hui, on peut noter qu'il y a eh, un manque, en fait, eh, qu'il y a un manque d'effectivité dans, dans, ces droits-là. Mmh, d'accord. Donc, euh, je disais, cela nous renvoie à, la marche euh, du 13 mai 91 où toutes les femmes étaient sorties de de tous les coins, de toutes les ruelles du Niamey afin de réclamer leur euh, participation à la vie politique. Mmh. Et cela est vraiment salutaire et c'est un acte vraiment qui est inspirant aujourd'hui pour nous les jeunes filles, parce que cela nous amène également à comprendre dès maintenant que nous devrons nous approprier en fait euh, de ces droits-là, mhm. de ces acquis-là, qui, qui ont, de cette lutte qui a été menée pour nous, afin que nous puissions mettre euh, qu'on puisse euh, mettre en application, en fait, tous ces droits-là. Justement, vous dites que c'est inspirant aujourd'hui pour vous. Alors, en tant que jeune fille leader qui émerge euh, aujourd'hui, vous prenez exemple sur euh, ces femmes, nos mamans qui sont qui ont lutté pour leurs droits dans lutte, de votre lutte de tous les jours. Oui, également, bien sûr, parce que on, ne peut pas aujourd'hui aspirer à l'autonomisation sans avoir des repères. Donc il faut toujours se référer à ces mamans-là qui ont mené le, combat et en faire de même. Parce que quand elles ont mené cette lutte, c'est également pour leurs enfants. Mhm. C'est également pour, en fait, laisser un héritage et pour euh, les descendants à venir. Donc, elles nous ont éclairés et on doit vraiment suivre le, euh, chemin mhm. qu'elles nous, ont, montré. Alors vous, aujourd'hui, quelle est la lutte même que votre génération mène pour les femmes, les jeunes filles Aujourd'hui, je peux dire au sein de notre organisation, on milite beaucoup pour euh, l'accès à l'autonomisation des femmes, surtout l'accès à l'autonomisation économique. Mhm. Aujourd'hui, au sein de notre organisation, nous menons des, activités et nous menons des actions afin de former les jeunes filles, qu'elles mhm. soient informées en termes de leurs droits mhm. et qu'elles soient formées aussi en termes euh, d'activités mhm. génératrices de revenus pour qu'elles puissent en fait acquérir ce, minimum euh, d'autonomisation financière mhm, pour qu'elle puisse se mettre à l'abri de la vulnérabilité. Alors la relève euh, est assurée, si je peux le dire, euh, Madame Fatoumata. Qu'est-ce que vous en pensez après avoir écouté votre jeune fille Après l'avoir écoutée, c'est tout à fait normal. Il mhm. dit les acquis, il faut les consolider si c'est des bons. Mhm. Si c'est des mauvais, il faut laisser. Donc, ça démontre à tel niveau que les, ceux qui, nos filles-là, elles ont hérité d'un leadership transformationnel. Mm, mm. Donc, elles ne feront qu'emboîter le pas parce qu'on dit on droit ne se donne pas, ça s'arrache. Elles sont en train de continuer à militer en faveur des droits de la femme. Moi, je crois que c'est encourageant mm-hmm. d'entendre que des jeunes comme elles, c'est même pas notre fille, c'est notre <laughs> petite, fille. Donc, euh, de, dire qu'elle est en train d'emboîter le pas à ses grands-mamans, mhm. moi, vraiment, ça me donne du tonus et c'est encourageant. Mhm. Ah, oui, alors on le sait, la célébration de la journée du 13 mai offre l'opportunité euh, d'organiser diverses manifestations visant à informer et à sensibiliser la population sur la participation effective de la femme à la vie politique euh, afin qu'elle juge pleinement de ses droits en lien avec le thème retenu. Cette année, vous mettez l'accent sur quoi Sur l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation. Hmm. Et pourquoi le thème Pourquoi le thème Oui. Le thème parce que vous savez que, comme elle vient de le dire, quand vous voulez qu'une femme accède à, des pouvoirs ou bien qu'elle soit au centre des prises de décision, mm. il faut que cette femme soit autonome. Mm. Qu'elle soit autonome sur tous les plans, dans le domaine culturel, économique, social. Donc, si la femme n'est pas autonome, en matière d'éducation, mm-hmm. il faut qu'elle soit éduquée, mm-hmm. qu'elle soit formée, pour former une génération vraiment consciente qui peut mener le combat, comme elle l'a dit. D'accord. Donc, euh, c'est ça le... Merci bien. Alors, Madame Safiatou, oui. Euh, plus haut, euh, Madame Fatoumata parlait de la question du quota. On va en parler plus en profondeur avec vous. Aujourd'hui, on le sait, nous sommes dans un régime euh, conduit par des militaires. cinq femmes ministres sont dans ce gouvernement, au moins deux ou trois prophètes ainsi que des maires. La question du quota, selon vous, est-elle respectée à ce jour? Non, elle n'est pas respectée, ma chérie. Hmm. Parce que nous avons même mené des luttes pour aller voir pourquoi notre ministère a été. Justement. Euh, le ministère de la promotion de la femme. La promotion de la femme et de la protection des enfants qu'on a acquis avec une longue lutte. Hmm. Et on, était, on avait fait, même fait des, des, déclarations pour réclamer ce ministère-là. Il faut que ça revienne. Hmm. Bien. Donc, ce qui veut dire que vraiment, et ce régime aussi n'a pas respecté le quota, mhm. parce que c'est une loi qui est là, et je pense qu'on ne l'a pas abrogée. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment respecter ce qui est acquis. Donc, la lutte continue. nous avons, voilà, nous avons une très grande lutte à faire, ce qui fait qu'effectivement, les femmes se sont organisées pour euh, faire un mouvement démocratique de, euh, pour, pour la le renouveau, ainsi mhm. je veux le dire, mhm. parce qu'on a eu à faire vraiment des dialogues féminins pour pouvoir vraiment qu'on nous réhabilite notre ministère. Mm. Et la lutte continue. Nous sommes là depuis, on a D'accord. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre. Restez avec nous, Madame Safiatou. Alors dans cette deuxième partie, nous allons voir les défis, les problèmes ou difficultés auxquels la femme nigérienne continue de faire face. Je reste toujours avec vous, Madame Safiatou. Je rappelle que vous êtes euh, la coordinatrice, euh, la présidente régionale de la Congafen Tilaberi. Euh, vous donc euh, en région, comment se présente la situation précisément à Tilaberi, une région en proie à l'insécurité Quelles sont les difficultés auxquelles elle continue de faire face Vous avez touché du doigt le domaine dans lequel je suis en train d'intervenir. J'ai été jusqu'à le monde. Pour animer un panel pour ce qui concerne le rôle de la femme dans la prévention de l'extrémisme violent. D'accord. Bien, ce qui veut dire que, à Tilaberi, les actions que nous menons, c'est d'aller vers les femmes rurales. Hmm. Parce que c'est elles que les hommes ont abandonnées. Aujourd'hui, le défi que nous avons, nous avons des femmes qui sont, qui sont chefs de ménage. Hmm. Le défi, il faut essayer de voir comment aider ces femmes-là, comment leur apprendre des activités quelques minutes. Bien qu'il y ait l'insécurité, il faut qu'on leur apprenne à être résilientes. Hmm. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Hmm. Dieu merci. nous avons des partenaires qui nous appuient et qui nous aident à aller. Parce que si aujourd'hui les autorités ne peuvent pas aller vers ces femmes-là qui sont dans les villages, nous, en tant que femmes, nous nous déguisons pour être avec nos sœurs qui sont dans les villages, mhm. malgré notre totalité. Mhm. On bat vers elles, on les sensibilise, parce que vous savez, la femme a beaucoup de rangs à jouer. Mhm. Notre société, un homme, si tu n'arrives pas à résoudre un problème, si tu viens à la maison, c'est ta femme qui t'aide. Donc on ne peut pas résoudre ce problème de sécurité sans pour autant impliquer la femme. Et d'ailleurs, à l'occasion de cette journée donc du 13 mai, comment vous mettez à profit cette journée pour faire connaître l'importance même euh, de la célébration à ces femmes du milieu rural qui on sait que certaines ignorent même euh, cette journée, l'existence de la célébration de cette journée Bon, vous savez, à Tilabé, nous, on avait une stratégie chaque année, la journée de la femme, nous ne la fêtons pas dans la ville de Tel mm-hmm. Nous sortons. Nous allons vers nos femmes, vers nos sœurs qui sont dans les villages. Mm-hmm. Donc, nous célébrons les, 13 euh, mai avec nos femmes rurales. Et en allant, nous leur, apportons, en fait, euh, des, des machines données par le ministère de la promotion de la femme mm-hmm nous les dotons aussi du matériel pour faire les, activités activités génératrices de revenus mhm. que les partenaires nous, appuient. D'accord, Alors, merci bien, Madame. Euh... Fatoumata, vous venez d'entendre les problèmes auxquels euh, les femmes euh, de la région de Tilaberi euh, sont confrontées, une région en proie à l'insécurité, des femmes qui sont aujourd'hui devenues des, des, femmes de foyer parce que les hommes ont fui, les laissant. Mais en général, même aujourd'hui, quels sont les vrais problèmes de la femme nigérienne, qu'elle soit citadine ou rurale Merci. <laughs> Toute femme, quelque chose des femmes au foyer. Mais je pense qu'il faut revitaliser. Euh, ce sont des femmes chefs de ménage. Mm parce que les maris ont été assassinés, certains. Certains sont partis, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc, euh, les femmes en général, notre problème, c'est qu'il y a un problème au sein même des femmes. Hmm. C'est-à-dire, c'est quel problème C'est-à-dire la solidarité. Nous ne sommes pas solidaires. Hmm. Parce que même acquérir cette lutte-là, on a acquis ce 13 mai-là parce qu'on a été solidaire. On a fait preuve de solidarité comme un seul homme. Donc, Vous pensez qu'aujourd'hui, euh, il manque euh, une solidarité euh, pour toutes les femmes en tout cas, avec autant d'organisations féminines. Avec autant d'organisations féminines. Il y a le manque de solidarité. Il y a le manque de solidarité. Il y a le manque de, de synergie d'action parce qu'il ne sert à rien de créer une multitude d'ONG, d'associations féminines qui, font, qui vont euh, en ordre dispersé. Mhm. Plus l'union fait la force, plus on, unit nos, forces, plus on acquiert ce qu'on veut. Il y a le problème d'analphabétisme, il y a le problème de pauvreté, il y a le problème d'accès aux fonciers, il y a en tout cas multitude de problèmes. C'est la femme qui, euh, euh, qui a les problèmes. Mhm, mhm. Il y a le problème d'éducation. Par exemple, si le, père n'est pas là, L'éducation revient à la mère. Or, on dit que quand un enfant est bien éduqué, on dit que c'est la maman qui est, il a hérité d'une bonne mère. Mm. Mais quand l'enfant devient un enfant de la rue, comme on le voit avec tout ce qu'on voit, mm. le phénomène de consommation des substances psychoactives qui est là, qui prend de l'ampleur, le phénomène de d'extrémisme violent, le phénomène de radicalisation, mm. en tout cas tout ce que nous ne connaissons pas, vraiment, l'éducation revient aux parents. D'accord. Madame Safiatou déplorait tout de suite euh, la disparition, si je peux le dire, ou la dissolution de votre ministère de tutelle, le ministère de la promotion de la femme. Un mot sur cette question. Je, vais en venir là-bas. Donc, euh, les défis, il y a beaucoup de défis. En tout cas, plusieurs défis. Même la discrimination au niveau des postes. On a, créé une loi qui est là. La loi, elle n'est pas effective dans son effectivité. Mm. Tout de suite, vous avez parlé de cinq ministres. Prenez le nombre de ministres qui sont dans le gouvernement et faites le calcul pour voir on est à quel taux. Mm. Hein? Parce que la loi, elle a dit 30%. Mm, mm, on n'est pas arrivé. On n'est même pas à 20% à plus forte raison. Donc, de là, cette discrimination que les femmes vivent, elle doit se manifester au haut sommet de l'État pour, pour euh, réduire autant la discrimination. Parce que au Niger, ce n'est pas les textes qui nous manquent. Tous les, tous les textes prennent la mixité du pouvoir. Hmm. Les textes de loi et toutes les chartes. La mixité inscrite. Maintenant, à la question que vous venez de me poser pour le ministère de la promotion de la femme, qui, qui, qui, a été du dulier au niveau du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, vous n'entendez même pas promotion, de, la, femme, protection qui s'est mmh, mmh, réduite mmh. à une simple direction. Là, on peut dire que c'est dommage c'est pas de gaieté de cœur que nous, avons accepté. Parce que c'est quelque chose qui a été acquis de haute lutte depuis combien d'années On ne peut pas quelque chose qui a été de acquis de haute lutte qu'on vient d'un seul jour qu'on nous l'arrache. Mm. C'est pas de gaieté de cœur. Ça veut dire que jusqu'à présent, nous continuons d'être marginalisés. Mm. Et on a, l'intention de, de, de, de rendre public un mémorandum que nous allons remettre acquis de droit le jour le 13 mai au niveau des palais de congrès. Mm-hmm. Inch'Allah, on le fera. Mais vraiment, au Niger, les défis, on commence par l'éducation. Parce que quand la personne n'est pas éduquée, Vraiment, c'est pas bon. On dit éduquer une mm-hmm. femme, c'est éduquer toute, une, nation, Voilà. Mais aujourd'hui, dans votre lutte de tous les jours, est-ce que euh, c'est la même lutte que vous, menez euh, pour les femmes du milieu rural Si vous prenez la Congafen, elle met l'accent plus chez les femmes rurales. Parce que c'est elles. Aujourd'hui, nous, ici, on parle de 13 mai. Il y a au confond du Niger, il y a des femmes qui ne connaissent même pas, ce que c'est, qui, ne connaissent même pas l'historique du 13 mai. Donc, c'est pourquoi nous, nous concentrons nos efforts sur le, sur le monde rural. Parce qu'au niveau du, du, monde rural, il y a des femmes qui sont capables d'être conseillères élu local, il y a des, des, femmes qui sont capables, qui sont très intelligentes, qui peuvent vraiment forger une autre génération de femmes conscientes. Mhm. Mais il faut qu'on les accompagne. Donc notre accompagnement, c'est en direction. On fait des sensibilisations. On fait l'autonomisation économique des femmes à travers la MECRAF, qui est mhm. une, une mutuelle affiliée mhm. à, la Congafen. Nous, nous, nous accompagnons les femmes dans l'éducation financière. Dans la dernière partie, nous allons venir en profondeur sur les actions que vous menez, vous euh, aujourd'hui. Euh, Mademoiselle José, euh, vous avez entendu les défis, les problèmes auxquels la femme continue de faire face de votre côté. Quels sont les problèmes aussi que vous rencontrez les jeunes filles qui émergent dans cette perspective Bien sûr, par rapport aux défis, on peut dire en termes de façon générale, il y a les défis en termes d'accès à l'éducation, à la santé, au travail, à la participation politique des femmes et aussi à l'élimination des violences à l'égard des femmes. Mhm. Aujourd'hui, une femme, même pour avoir un travail, il faut que qu'elle se fasse harceler. À l'école, il faut que les élèves se fassent harceler par les professeurs. Mhm. Donc tout cela sont des, des défis qu'il y a à, relever et notamment également... Euh, et le caractère patriarcal de notre société qui réduit en fait la place de la femme à un second plan. Les, aussi les préjugés. Oui, oui, les préjugés et les pesanteurs socioculturels qui sont là. Mm. Tout cela sont en, quelque sorte des défis qu'il y a à relever pour euh, favoriser en fait l'émergence des droits des femmes. D'accord. Alors, nous entamons la dernière partie de notre émission. Il s'agit de voir avec donc nos invités les actions entreprises pour la promotion des droits de la femme à Niger, au Niger et comment le faire. Euh, vous, Safiatou, aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommandez Qu'est-ce que vous faites de concret pour vraiment euh, promouvoir les droits de la femme dans notre pays Merci. Et ce que nous faisons de concret, c'est que c'est d'aller vers les femmes, leur faire comprendre qu'elles ont des droits, mais aussi qu'elles ont des devoirs. Mm-hmm. Et en tant que congressienne euh, euh, régionale, donc euh, nous, comme l'avait dit tout de suite, nous, nous allons, en fait, les droits de la femme, elles sont multiples. Mm-hmm. Parce que on bafouille les droits de la femme comme l'a si bien dit ma, ma fille ou bien c'est ma petite fille, Même pour chercher, même pour chercher du travail, effectivement, les, filles, les femmes, on leur demande certaines choses, les filles surtout, impossible. Mhm, mhm. Elles sont absolues. Il y a aussi les violences. Même à l'école, les filles là sont violentées, ce qui peut entraver effectivement la poursuite de leur étude. Mhm. Tout ça là, nous sommes en train de mener des activités de sensibilisation effectivement les violences faites aux femmes mhm. et aux filles. Parce que il faut connaître ton droit. Quand tu connais ton droit, tu connais le droit de l'autre, tu ne peux pas le piétiner. Mhm. Parce que tant qu'on piétine mon droit, je ne serai pas d'accord, ce qui veut dire qu'il y a cette violence-là qui sera. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des obstacles dans cette lutte que vous menez eh, Ma chérie, les obstacles, ça ne manque pas. Mhm. Nous avons les pesanteurs socio-culturels qui sont là. Ça, c'est un nous avons l'analphabétisme effectivement des femmes parce que vous n'êtes pas sans savoir que les enquêtes ont été menées, surtout sur les violences faites aux femmes. Il y a des femmes qui disent que c'est normal qu'un homme les batte. Hmm. C'est pour, lui, voilà, c'est pour lui montrer son amour hmm. qu'il la bat. Hmm. Vous voyez Donc euh, vraiment, il y a beaucoup d'obstacles qui sont là. Et il y a aussi les... Qu'est-ce que je veux dire C'est-à-dire la communauté ne comprend pas en fait. Parce que vous savez, quand euh, une personne euh, a grandi dans un, dans un milieu où la femme, elle est toujours en bas, c'est-à-dire elle est lésée au second rang, mhm. c'est difficile, c'est difficile de faire comprendre à cette personne-là que cette femme-là a le même droit que lui. D'accord. Alors, oui, oui, Madame Safiatou, donc, donc comme... nous, menons, mhm. des activités de sensibilisation. Mhm. Nous faisons aussi ce qu'on appelle des dialogues multi-acteurs pour faire comprendre à tous les acteurs que la femme a des droits qu'il faut les respecter. D'accord. Alors, euh, comme le temps est contre nous, euh, votre dernier mot, un appel à, la, à, toutes les, à toutes les femmes, aux autorités, quel est votre dernier mot Merci bien, ma chérie. Aux femmes, soyons solidaires. Aimons-nous les unes et les autres. Si on est vraiment unis, on dit l'union fait la force. Mm-hmm, mm-hmm. Ça, c'est à l'endroit des femmes. Maintenant, à l'endroit des autorités, c'est vraiment de leur demander de respecter les lois mm-hmm. qui sont dans notre constitution. D'accord. Maintenant, à nos jeunes filles, c'est vraiment de regarder et de prendre ce que les unis sont en train de faire de bon. Prendre exemple, voilà, de bon. de bon, de prendre des exemples de bon. D'accord. Alors, mm-hmm. je demande aussi à nos jeunes vraiment de développer, surtout avec ma fille euh, mm-hmm. Josée, José, mm-hmm. de développer en fait la solidarité. Elle n'a qu'à donner beaucoup d'accent à la solidarité entre ces jeunes. en tout cas, elle vous <laughs> écoute, oui. Merci, <laughs> merci, donc à euh, Madame tout d'être restée avec nous. À très bientôt. Merci beaucoup. Mm. Alors, je reviens dans ce studio, Madame euh, euh, Fatoumata, aujourd'hui. Euh, comment vraiment mener la lutte, poursuivre la lutte pour la promotion des droits de la femme dans notre pays ah, Poursuivre la lutte, moi, je pense que il faut la synergie d'action, il faut la solidarité féminine. Mhm. On dit savoir d'où l'on vient, c'est éclairer sa lanterne quand on cherche là où on va. Donc, il faut qu'on fasse la lutte la rétrospective de notre mouvement du 13 mai. Mm. Maintenant, c'est à cette euh, seule occasion que nous pouvons. Et quand il y a une violation de la loi, il ne faut pas que d'autres se mettent à côté pour dire non. C'est pas parce que je suis contre X ou Y que je dois porter. Nous, à la Congafen, mm-hmm. on a attaqué la loi sur le quota. Mais malheureusement, malheureusement, nous n'avons pas eu gain de cause parce que dans le décret d'application, je n'appelle à la prise de conscience de toutes les femmes. Hmm. Dans le décret d'application, il y a quelque chose que le gouvernement a introduit qui nous bloque, hmm. qui fait blocage. C'est lequel ah, C'est-à-dire, par exemple, on dit les arrêtés. Les arrêtés ne sont pas attaquables. Par exemple, pour, nommer un SG d'une préfecture, c'est le ministre de l'Intérieur, il a le plein pouvoir de nommer les secrétaires généraux des préfectures. Là, on dit que ce n'est pas attaquable. Seuls les décrets sont attaquables. Donc, c'est de cette manière que quand on a nommé une seule femme secrétaire générale d'une préfecture, nous avons attaqué cette arrêté-là. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu gain de cause. C'est ensuite que nous avons pris conscience en tant que Congafène qu'il y a un verrou qui a été mis au niveau du décret d'application. Donc il faut que les femmes se, se, lèvent comme un seul homme pour qu'on puisse enlever ce verrou-là pour nous permettre de lutter vraiment. Parce que mhm. quand on parle de nomination, je pense que ça doit intéresser un peu partout. Donc, euh, je pense que ça, là aussi, c'est une lutte et encore, par exemple, vous avez vu le 8 mars, la salle n'était pas pleine. Hmm. Et nous nous proclamons que nous sommes plus nombreux, 52% du point de vue numérique. Il y a eu un manque de sensibilisation ou quoi Non, ce n'est pas un manque de sensibilisation, c'est ce que je dis, il n'y a pas de solidarité. Parce que tant que ce n'est pas moi, et il y a un problème de leadership, hmm. tant que ce n'est pas moi, si c'est un autre, moi, je ne vais pas le suivre. Non, hmm. il faut sortir, montrer à ces gens que nous sommes plus nombreuses que les hommes, comme nous le clamons haut et fort. Mhm. Remplir la salle du palais de congrès comme un neuf. Et maintenant, tout ce qu'on demande, on peut avoir gain de cause. Et je suis sûr que avec le CNSP, ils vont revoir leur copie. Mhm, mhm. Parce que sans la femme, tu ne peux pas prétendre développer ton pays en excluant une partie plus de 50% de la population de, de ces choses. La femme apporte son... Les femmes sont actrice du développement, mm. actrice incontournable. Même la paix, là, quand on exclut les femmes, il n'y a pas de paix. Parce que des études ont démontré que les accords de paix, qui ont une, durée, une longue durée de vie, plus de 15 ans, c'est parce que la femme a été la femme a été impliquée dans tout les processus. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Nous avons beaucoup de textes, par exemple la résolution 1325, la résolution 2250, qui fait appel à l'implication des jeunes dans tous les processus. Donc, il faut que vraiment que des textes-là, que nous nous battons, qu'on sorte comme un seul homme, qu'on taise nos divergences. Vraiment, c'est la politique qui nous a Et on conseille donc euh, à ces jeunes filles euh, leaders... à, ces jeunes, filles, vraiment, moi, je pense que déjà, comme elles ont commencé, qu'elles ne baissent pas le bras. Mhm. Parce que, je dis, un droit ne se donne pas, ça s'arrache. Mhm. Et c'est au prix, vous avez vu le premier conflit. Il y a combien de gens qui sont morts à Chicago. Donc, c'est-à-dire, il faut se battre sans, sans arrière-pensée. Parce que de certaines luttes que les gens mènent, c'est arrière-pensée. Mais si nous nous mettons sans arrière-pensée avec nos jeunes-là qui sont là, vraiment, je vois qu'il y a une génération consciente qui est en train de prendre conscience à tous les niveaux. Je pense qu'on peut y arriver un jour où, zéro, on va vivre zéro discrimination envers les femmes et les jeunes. D'accord. Merci bien. Alors, José, je termine avec vous. Euh, un dernier mot sur cette question. Alors, euh, moi, le message que j'aimerais lancer, il est d'abord à deux niveaux. Mhm. D'abord, euh, au niveau euh, étatique, il faut que les, acteurs étatiques renforcent les politiques publiques. il faut qu'ils adoptent et ils mettent en œuvre des mécanismes et des stratégies qui réduisent les discriminations à l'égard des femmes mm-hmm. afin de leur permettre un environnement propice à leur épanouissement. Mm-hmm. Et également, au niveau de la société civile, il faut qu'elle persiste dans son rôle de militantisme. Quand mm-hmm. Hajia vient de le dire, il faut persévérer dans la lutte et également il faut s'approprier des contextes locaux parce parce qu'on doit euh, mener des actions rationnelles qui répondent aux besoins et également qui vont contribuer à la transformation des normes sociales mm. et afin de favoriser euh, l'émergence des droits des femmes. Merci donc, merci. donc à vous, chers invités. C'est ici donc que se referme cette émission qui avait pour thème, qui portait sur la célébration de la journée de la femme et zoom sur les avancées euh, après 33 ans, après la marche du 13 mai 91. Et de par donc les interventions de nos invités, la lutte continue d'être menée. La lutte pour la promotion des droits des femmes continue d'être menée 33 ans après la marche du 13 mai 91, il faut beaucoup plus de solidarité venant des femmes car selon elle, l'union fait la force. Aux autorités aussi euh, de respecter les lois, les différentes lois, car euh, selon elles, les femmes sont actrices principales du développement dans un pays. Aussi aux jeunes filles de prendre exemple des femmes pionnières pour développer la solidarité pour une meilleure lutte. Merci donc à vous d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, nos invités, Madame Safiatou, Madame Malam, elle est la présidente régionale de la Conga Labérique. Elle était au téléphone. Madame Haroun Fatoumata, membre de la Conga Niamey, merci d'être venue. Et Mademoiselle José Gilbert, elle est membre de New Challenge, une structure féminine qui a pour mission d'accompagner et d'encadrer les femmes et les jeunes filles nigériennes à développer leur leadership. Je suis Nafisa Adam Sirfa, la modération, la technique est assurée par Amina Hassan. À très bientôt sous le studio Kalangu. Au revoir.